Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Web Radio Tu veux savoir plus sur tes stars préférées Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi. Ça marche. promotion canapé Lola lañ nar semen wax ci semaine bi yëpp exactement lan ngeen ci xalaat góor ak ah, parce que soo leen demee ci société ngeen bëgg am liggéey sama ben sawaay mel ni man la may jox dara ba ma la dara je suis d'accord avec toi ce n'est pas qu'au Sénégal promotion canapé môme, hmm, c'est partout il n'y a pas d'âge parce que même à 50 ans tu vas voir des mamans parce qu'elles veulent obtenir un boulot elles vont faire ça avec des petits jeunes tu as des chefs d'entreprise qui sont des mamans de 60 ans mariées depuis 45 ans pour embaucher des petits garçons dans l'entreprise il faut qu'on les rafraîchisse un peu qu'on les rajeunisse boire le sang frais je, vous dis les gars, hein, mhm. j'ai un ami qui m'a raconté une histoire. Et c'est en fait une, dame qui est très belle, mais qui est vraiment, quand tu la vois, mais tu, la respectes tellement, elle, donne bien, on va dire. Mais elle a, eu le malheur, elle a eu le malheur d'avoir une promotion canapé avec ah. quelqu'un, un homme. Et c'était un homme qui était tellement mauvais qui a passé le mot à ses copains. Exactement. Et ses copains, ses copains étaient en train de, de, contacter la fille sans pour autant lui faire savoir que c'était copain, qu'ils étaient copains à l'autre. Et le premier gars leur a dit si vous voulez la voir, hein, dès l'entretien là, il faut lui proposer ça, ça et ça. Moi, ce que je dis en fait, c'est que, euh, comme je dis toujours, pour qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande. Yeah. Tu comprends Je veux dire que si tu n'as pas en face des personnes des, gros pervers et des grosses perverses dans les entreprises qui sont en train de vouloir user de leur statut pour manipuler des petits. souvent, il y a des gens, des jeunes qui sont naïfs. Non, mais c'est. J'en parle. en fait, je parle d'expérience. Ah, je parle d'expérience. C'est pour ça que je suis autant révoltée. C'est hmm. que je parle d'expérience. Tu peux pas tu peux pas être à la fleur de l'âge, tu viens de finir ton école, tu as envie de, donner, tu as envie de participer à, ton Afrique, de construire, d'apporter ta pierre et tout. Tu arrives dans une entreprise, tu as les compétences, tu as, tu as tout ce qu'il faut. C'est vrai que tu, ne connais pas tout, mais tu as ce qu'on demande, tu vois. Mhm. Tu ne peux pas être en face d'un monsieur. On va pas dire que l'habillement est monté, l'habillement est descendu. C'est parce qu'ici, il y a plus décent qu'un tailleur, une, jupe ou un pantalon, un, un, chemisier pour aller en mhm. entretien. Mhm. Mais le monsieur, il te parle j'ai été obligée de dire à ce monsieur deux fois, monsieur, mes yeux sont ici. Je sais pas ce que vous regardez en dessous de mon menton. Mes yeux sont à ce niveau. donc euh, Babacar Nenama, na ma ñu jëm ko tënk ci wolof rek xanaa mooy di promotion canapé moom bu ñu ko dégg mooy ñi nga xamante ni dañuy dem di wuti liggéey te mu jaraleen lu ne mhm. ñi ci gëna a fang nak nag moo di soxna yi am na it ci côté góor ñi mhm. ñi nga xamante ni joxe nañ euh, taxaw nañ sax ngir joxe seen bopp ngir mën a am seen ab liggéey gis nañ ni Joyce moom wax na lim doon wax expérience personnelle la ñëw toog ak nit au lieu que muy xool document yi mais yow ci sa bopp lay muy xool yenn ci yow ba sax da nga naan kon man samay bët nag nekkul fii fii rek mhm. faaw mu xool donc Karine mu nekk loo xamante ni du lu bees quand mhm. du lu bees yàgg na fi comme fii lañ ko fekk sax depuis Mathusalem yàgg na fi mhm. ne mais nag dafa xew ci jamono ndax fi mu ne nii booy xool gone yi léegi-léegi dañoo bëgg euh, xam li ñu naan ndar xëyul sotti dañuy jàng am la rek bëgg liggéey ci mhm, instant bi mhm. instant bi mais nag ndar xëyul sotti mhm. te dafa am noo koy defee tepp tepp daal moo gën yuréet ah ah bu baax voilà bu baax loolu moom kenn waxatu ko ah, euh, ce que moi ce que je voudrais dire euh, c'est c'est pas c'est pas énorme hein c'est juste que euh, en fait on avait vu venir ce, ce genre de choses parce que ça a commencé effectivement il y a longtemps mm. mais moi, je trouve que la situation s'est aggravée, raison pour laquelle on a de moins en moins de professionnels à la place qu'il faut. Exact. 88 628 7878. 78 ba participer la page Facebook direct euh, promotion canapé je pense focaliser parce que parce que faible en fait. Mm-hmm. mais am na ci góor ñi noonu la existé ci góor ñi noonu la existé ci jigéen ñi mhm. et je pense que ni li indi loolu yëpp mooy ñàkk gëm sa bopp mhm. voilà parce que mhm. nit nit nit il faut nga gëm sa bopp je suis pas contre je suis contre euh, l'avis de Isaaha il dit que la la femme en général c'est c'est la fautive au Sénégal, on a cette habitude de stigmatiser les femmes. Mhm. Par exemple, on le regarde dans le comportement de toujours. Un jeune homme qui passe de fille, qui, qui passe de fille en fille, est considéré comme euh, quelqu'un de, de si je peux dire. Un guerrier, quoi, si je peux m'exprimer. <laughs> Par contre. <laughs> c'est une fille qui fait ça automatiquement, elle est caricaturée et c'est vraiment de façon très péjorative. C'est pour ça, oui, c'est compliqué. Et alors, c'est les promotions canapé. Moi, je ne parle même pas de promotion, mais même à l'école, une jeune lycéenne, elle est exposée. C'est-à-dire mhm. que le professeur a pratiquement le droit de vie et de mort la personne. <laughs> c'est vrai. Moi, mhm. une expérience personnelle. Je me rappelle quand j'étais en classe de troisième, j'étais très brillante dans tout ce qui était matière scientifique. J'avais un professeur qui, juste parce qu'il la il a cassé mes notes. Mhm. Heureusement pour moi, je suis pratiquement la seule fille d'une famille de garçons. Donc, je n'avais pas peur de grand-chose. Je suis allée en parler à mes grands-frères, ils sont allés me chercher. Automatiquement, mes notes sont remontées à 18. Voilà. Donc, pour dire que, bon, parfois aussi, c'est les gens autour qui stigmatisent les mhm. femmes. Alors, on a <laughs> Karine, mhm. oui. on a Paul Goudiabi. Oui. Merci Karine Cécile Joannel pour l'invitation. Je suis. <laughs> Karim Malo, la dame en rock là me plaît beaucoup. Ça, c'est toi, des. Alors, ben. euh, il dit, Tene, Tene qui dit un thème excellent et qui mérite d'être approfondi car il commence à devenir phénomène de la société africaine. Mention spéciale à Karine Cécile Joannel. Mhm. Mhm. On a Eric Dinga qui est connecté, qui nous regarde, Michel Michel qui nous regarde, un big up à Falou Diop, Seydina Ousmane Thiam, euh, Cher Sek. En tout cas, ils sont tous connectés. Lol, vendredi dinañ continuer di ci wax kon ngeen continuer di participer di woote ci serveur bi 88 628 7878, 78 dem page Facebook bi di commenter ngir ñu mën xam loo xalaat ci promotion canapé. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées, ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi, ça marche.